c'est des jeunes, des âges un peu moyens, autour de la quinzaine. Malheureusement, c'est au niveau des plaques d'eau qui se trouvent dans les lits du Corée. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux parents pour qu'ils soient très regardants en cette période de pluies, euh, pour qu'ils veillent sur les enfants. Comme vous le savez, il y a plein de points d'eau très très profonds, des carrières qui sont remplis d'eau qui peuvent euh, aller à des grandes profondeurs qu'un enfant ne peut facilement euh, accéder. Donc c'est pourquoi donc en cette période que nous le disons, les parents doivent être vigilants non seulement pour ces genres de, de cours d'eau, mais aussi sur certaines pratiques que les jeunes sont en train de mener. Il y a des groupes de jeunes qui partent donc en couple souvent qui partent passer la nuit jusqu'au matin. Et ces genres de pratiques, ces jeunes peuvent être surpris par un courant en pleine nuit.